Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et Bienvenue sur L'artiste s'exprime, une rubrique de l'émission Tous à la Fada, une émission consacrée à la jeunesse du Niger. Nouvel élan, nouvelle dimension, on s'est juré d'amener la culture nigérienne au firmament car le Niger regorge de talents et de stars. Pour la cause, nous recevons sur cette émission un blogueur, comédien, nigérien, influenceur. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Oui Voilà, très bien, grimpez. Hein? Vidéo que j'ai vue là. Ta soi-disant femme là, Edoxy, elle te trompe. Vous avez certainement compris, ladies and gentlemen, il s'agit de Vara Pro. Vara Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. C'est ta première fois en principe hein, devant euh, la caméra, euh, à la télé. Euh, c'est la première fois. Tu vas me dire le contraire. En tout cas, en tout cas, c'est la première fois. C'est toi qui cuisines tout le temps et aujourd'hui c'est moi qui vais te cuisiner. <laughs> ok, d'accord. Je sais qu'il y aura une vengeance certainement dans les jours à venir, mais pour l'instant aujourd'hui, en tout cas, on va parler de toi, on va parler de tes actes, on va parler de tes œuvres, on va parler de tout ce qui va avec toi. On va parler, euh, n'est-ce pas, de Bara Pro tout simplement. Bara Pro, cortucon Bara Pro sur l'émission. Et tout ça la fada. Alors, euh, Bara Pro est un jeune influenceur humoriste web nigérien. Waouh! Voilà. Donc, du coup, à l'état civil, on l'appelle comment l'état civil, c'est Halidou Hassan. Halidou Hassan. Voilà. <laughs> Halidou Hassan est né en quelle année Halidou Hassan est né en 2000. 2000. Donc ça fait aujourd'hui quoi Nous sommes 2021, bientôt 21 ans. Bientôt 21 ans. Donc euh, nous iboulele aran folankano. Iboulele. Et donc tu as ton jumeau euh, bien évidemment avec nous. Ah, si tu connais Iboulele en principe. Oui, oui, je connais Iboulele. Voilà. voilà. C'est un gars que je kiffe même. Ah, tu le kiffes. Super. Il te kiffe aussi certainement de la même façon que tous les Nigériens qui regardent cette émission te kiffent. Moi personnellement, je te kiffe parce que je te suis. OK, d'accord, pas à pas, one by one comme on dit. Et pour les jeunes qui ne connaissent pas Barapro, aujourd'hui, nous allons encadrer toutes les conditions pour que vous ayez eh bien évidemment un certain nombre d'informations sur l'artiste. Ben, c'est ça notre mission. Euh, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est ça le studio Kalangu, c'est ça l'équipe jeune, ladies and gentlemen. Alors Barapro, aujourd'hui, on va parler un peu de tes œuvres, on va parler du parcours du, combattant, on va parler de quand est-ce que tu as commencé véritablement, euh, bien évidemment, euh, ce que tu fais sur ta page et sur les réseaux sociaux. Parlons de tes débuts, Barapro. Qu'est-ce qui t'a influencé, toi Au début, j'avais même pas une page Facebook. Hein. T'as pas de page Facebook Ouais. Au début, je faisais mes trucs. Je poste sur le statut, voilà. WhatsApp Sur statut WhatsApp. Ok. Donc les gens qui font, donc j'ai vu que bon, pourquoi ne pas ouvrir une page Facebook Pour voir ce que tu peux faire déjà. Voilà. Alors, c'était en quelle année ça fait maintenant à peu près un an. Ah, mais ça fait juste un an que tu as ah, commencé juste un an. Et euh, comme ton ami Pioche, hein, parce que je l'ai vu, et tu l'as taquiné un tout petit peu, elle aussi, ça fait pratiquement un an. L'idée vient d'où, dis-moi par rapport Ça vient d'où Déjà, c'est quelque chose que j'aime, j'aime faire. Ok. Et puis, bon, j'ai vu que déjà au Niger, ici, il y avait personne qui faisait ce genre de trucs, quoi. Bien sûr. Donc, j'ai dit, bon. Tu vas essayer Je vais essayer, donc, euh, j'ai commencé à faire petit à petit, petit à petit, donc les gens qui font et tout. C'est là que ça, ça, ça, a commencé. Quoi. Par est-ce que tu as déjà des gens eh, eh, sur lesquels, ou des artistes, sur des blogueurs sur lesquels tu t'inspires oui, oui, bien sûr. Alors, ah, on peut déjà avoir quelques noms sur cette émission Il y a, y a Mansou de la Guissin. Mais de la Guissin, bien sûr. Et hein, aussi, il y a Enis Zona. Enis Zona, oui, bien sûr. Hein. Voilà, tout ça là. La meuf, euh, l'ex-nana de Arafat, euh, l'actuelle nana de. ténor. De ténor, voilà. Donc, tu suis donc de près ces gens. Et euh, ils t'ont influencé d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, tu émerveilles la jeunesse nigérienne. Allô Pro, Aujourd'hui, nous avons tout le Niger qui nous suit. On sait déjà qui tu es. On sait quand est-ce que tu as commencé. Et bien évidemment, la chose, on, ne sait pas où est-ce que tu veux aller au fait. Tu le fais juste pour le plaisir ou bien tu te retrouves dedans présentement. Monsieur coups. Présentement, je le fais pour le plaisir. Ah, ok. Est-ce que tu as des ambitions, tu as des projets Est-ce qu'il faut monétiser ça après euh, Ou bien si euh, Bataka après, est-ce que tu penses que euh, ça peut t'intéresser Ou bien tu le fais juste pour le plaisir Toi, tu n'as pas besoin. Bon, la monétisation, ça, c'est après. Mais sinon, actuellement, là, je le fais pour le plaisir et et puis pour le Niger aussi. Est-ce que tu as un retour de tes fans Est-ce que tu as un retour, euh, n'est-ce pas, de ceux qui te suivent hein? Des followers, comme on dit. Euh, est-ce que, hum, voilà, ils te, ils te suivent, tu as un retour euh, des partages, des likes et tout ce qui va avec Oui. Ça va Oui, bien sûr. Avec leur soutien et puis leur partage. Donc, moi, en fait, c'est ça même, c'est ça même qui m'encourage, quoi. La force. La force, la force qu'ils me donnent, donc c'est ça. Ok. Alors, nous sommes à la fin de l'émission ou de cette première partie qui donc euh, parle de toi et de tout ce qui va euh, avec toi, est-ce que tu as un message à l'endroit de ceux qui nous suivent ceux qui ont l'habitude de partager, ceux qui ont l'habitude de liker, ceux qui ont l'habitude de, euh, commenter, parce que c'est ça aussi votre force C'est une visibilité, permettre au monde entier de te découvrir, parce que si tu aujourd'hui tu connais euh, euh, Bravador, tu connais aujourd'hui Enisso, et si tu connais aujourd'hui Mansour Blagisen, c'est parce que justement ils ont été partagés, n'est-ce pas, à moult reprises, et ce qui t'a permis de les découvrir. Alors est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les Nigériens pour que pour qu'il te donne en fait une visibilité mondiale. Mon message c'est à l'endroit de tous ceux qui me suivent. Accompagner l'artiste, c'est accompagner la culture. Et la manière par laquelle vous pouvez m'accompagner, c'est de partager mes publications. Donnez-moi cette visibilité pour que le monde me découvre. Si les autres se sont imposés, c'est parce qu'ils ont eu le soutien de leur. Donc la balle est dans votre camp. Partagez, likez, commentez. Ainsi parle Barapou et on espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Soutenez nos artistes. Likez, partagez et commentez. Machine en Bara, talk it. hey.